le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, dames, euh, bonsoir. Il est 18 heures passé de 15 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangou. Cette page horaire est consacrée au forum Un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Comme chaque vendredi, le forum est consacré au décryptage des faits ayant marqué l'actualité de la semaine avec nos confrères de l'audiovisuel, de la presse écrite et ou en ligne. Avec nous ce soir, Gare Amadou, Dubi hebdomadaire euh, L'événement. Bonsoir. Bonsoir. Sekouberi Ibrahim, journaliste euh, à la Voix du Sahel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Jafar Maman, directeur de publication du journal euh, L'Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Rayla Tsoumana. Aujourd'hui, nous allons revenir tout d'abord sur la crise de l'école nigérienne qui occupe toujours l'actualité avec des grèves à n'en plus finir tant du côté des enseignants que des élèves. Ensuite, euh, nous allons faire un zoom sur la rencontre d'hier entre le Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias et le collectif des journalistes signataires de la déclaration du 3 mai 2017 à l'occasion de la journée internationale dédiée à la liberté de la presse. Ils ont exposé les entraves auxquelles sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier, dont les violences euh, policières sur les reporters ainsi que l'emprisonnement de Baba Alpha. Aussi, nous allons évoquer le cas de la fermeture du compte bancaire par EcoBank du collectif des organisations de la société civile destiné à collecter la caution de 20 millions de francs CFA demandée par le doyen des juges afin d'ouvrir l'enquête sur l'affaire dite des 200 milliards. Ce même collectif a aussi sa marche prévue le mercredi dernier, interdite pour troubles à l'ordre public. Nous en parlerons aussi dans ce forum. Si le temps le permet, nous parlerons aussi de l'élection présidentielle française de 2017, en l'occurrence le second tour, qui s'est déroulé dimanche euh, dernier, 7 mai, qui a vu la victoire euh, du jeune euh, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Bonsoir à tous. Euh, je le disais hier, euh, le vice-président du Conseil supérieur de la communication, Ali Hussein Sontalma, a reçu en audience un groupe de journalistes euh, nigériens au sujet du journaliste incarcéré Baba Alpha et des violences policières contre un reporter lors de la manifestation du 10 avril 2017. C'est un rappel, ce collectif, euh, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai, a dénoncé à travers un communiqué la dégradation de la liberté de la presse dans notre pays. Il a condamné, je cite, les arrestations, les intimidations et l'utilisation de l'appareil de l'État pour, je cite encore, paralyser la presse. Pourtant, des dispositions de l'ordonnance du 4 juin 2010 euh, portant régime de la liberté de la presse existent euh, selon vous, Garé. Qu'est-ce qui freine euh, leur application et surtout comment faire respecter ces dispositions de la loi je crois qu'il y a eu déjà un comité qui a été mis en place par le gouvernement il y a quelques mois de cela, un comité qui a regroupé non seulement des, cadres de l'État, mais aussi euh, des journalistes professionnels de la presse publique et de la presse privée, qui a planché sur le toilettage des textes et qui, à mon avis, va permettre de régler une fois pour toutes ce, problème d'emprisonnement de journalistes pour, euh, des faits, euh, en tout cas, liés à leur profession. Mais il faut le dire au Niger jusqu'à présent, aujourd'hui en tout cas, il n'y a pas de journaliste, en tout cas de façon formelle, qui ait été emprisonné aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour des, articles écrits dans, dans une presse ou dans un média quelconque. Le journaliste qui est en prison, selon les informations que nous avons, c'est pour vraiment un cas tout à fait euh, euh, privé, ce n'est pas dans l'exercice de la profession. Mais quand même, euh, c'est un journaliste, c'est vrai, c'est pénible parce que c'est quand même un collègue. Mais je pense qu'il faudrait dissocier parce que euh, quand on compare quand même la situation de certains pays euh, de la sous-région d'ailleurs, ou dans certains pays africains, moi je peux me dire que le Niger n'est pas très mal logé en matière de liberté de la presse. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire. C'est vrai qu'il y a un problème concernant l'exercice de la profession sur les lieux de reportage entre les journalistes et les forces de l'ordre très souvent. Ça, c'est un acte, c'est vraiment un comportement qu'il faut déplorer et il faudrait trouver, n'est-ce pas, les moyens de faire en sorte de faire comprendre aux forces de l'ordre que les journalistes qui à la recherche de l'information, il est dans le cadre de son travail. C'est-à-dire que, et que eux qui, faut le maintien de l'ordre, ils font leur travail. Chacun doit respecter quand même la ligne rouge à ne pas dépasser. C'est-à-dire que même quand on fait des reportages concernant des manifestations souvent violentes, il faut savoir prendre ses précautions, même pas concernant les forces de l'ordre, concernant même l'autre camp. Je veux dire par là, quand même, un journaliste qui va sur le terrain doit faire attention. Par exemple, si c'est une marche d'étudiants suivie de violence, il doit faire attention pour son matériel, pour ne pas, pour ne pas, pour ne pas prendre des risques. Donc, il y a, y, a, il y a des précautions qu'on prend et je crois que c'est élémentaire, même en matière de, reportage de guerre, on vous dit qu'il y a des précautions qu'il faut prendre. Et c'est la même chose dans le cadre du maintien de l'ordre. Dans une opération où il y a de la violence, il faut que le journaliste fasse extrêmement attention. Merci Gary. C'est Ces journalistes ont demandé au CAC d'user de son pouvoir constitutionnel afin de défendre la liberté de la presse pour que les journalistes professionnels puissent exercer librement leur profession, particulièrement lors des manifestations publiques. le, CSC peut-il agir euh, dans le sens de mettre un terme aux entraves auxquelles euh, sont je, je pense que c'est illusoire de demander cela au CSC. Le CSC n'a pas véritablement de pouvoir, n'a pas d'outils véritablement euh, pour en tout cas faire prévaloir l'indépendance de la presse. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont tapé à la mauvaise porte. Aujourd'hui, on sait bien tout ce qui, en tout cas, peut régler ce, genre de problème. Le CSC, en tant qu'organe régulateur, ne peut véritablement pas changer la donne. Mais au contraire, de toute façon, on a combien de fois le CSC s'est saisi de plusieurs dossiers, mais qui n'ont jamais abouti. Moi, je, pense que le CSC doit être revisité justement pour lui donner plus de, pouvoir, plus de, moyens. Mais à l'allure, à, l'état actuel du CSC que nous connaissons, véritablement, je ne crois pas à cela. Peut-être que c'est bon, il fallait forcément, c'est l'organe régulateur, il faut chercher justement à calmer les gens. Bon, ils ont quand même, c'est bien, l'initiative, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer, le CSC ne peut pas régler ce genre de problème. Merci. Euh, le deuxième point de la rencontre euh, a porté sur le cas de Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferré. Incarcéré à la maison d'arrêt de Niamey depuis le 3 avril 2017 pour une présomption de faux et usage de faux en écriture publique. Sans demander au CSC d'interférer dans la procédure judiciaire en cours de celui-ci, en raison surtout du caractère de l'affaire qui relève euh, d'un délit de droit commun, le collectif des journalistes euh, a tout de même souhaité que le régulateur plaide euh, en faveur de leurs confrères afin qu'ils soient libérés. Surtout que le présumé complice euh, dans cette affaire a bénéficié d'une liberté provisoire la semaine dernière. À votre avis, que peut faire l'instance de régulation hum, sur ce dossier, Baba Oui, merci. Je pense que l'initiative de, ce groupe des de confrères est, saliteur salitaire, puisqu'il faut, dans les contextes actuels que nous sommes, il faut de temps en temps initier euh, des dialogues entre euh, partenaires évoluant dans le secteur des médias pour pallier certaines insuffisances et même manquements. Mais <clears throat> je pense que le CSC au stade actuel ne peut pas s'interférer dans une affaire judiciaire. C'est là où toute la difficulté je comprends le souci de ce groupe euh, de confrères, c'est de faire quelque chose. Et c'est dans cet élan de solidarité que nous invitons euh, tous les confrères et tous les acteurs et même tous les usagers des médias à comprendre que quand un journaliste est en difficulté, <clears throat> il a besoin de l'assistance. Il n'appartient pas seulement aux associations de, de, le défendre, puisque le travail qu'il fait, certes, euh, il gagne, euh, il, a, il, tire son revenu de ce, de ce, travail, mais le bénéfice, le grand bénéfice revient au, au, au peuple euh, qui, qui tire, le, qui l'écoute qui, qui s'éclaire à travers son travail. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, je pense que c'est euh, de demander au CSC euh, euh, d'être de, avec les associations et de faire une sorte de veille pour que ce dossier-là soit traité avec la plus grande diligence et l'équité, puisque nous, suons l'affaire est allée devant les tribunaux, je ne vois pas la possibilité pour une, pour une institution même de la République de demander à la justice d'arrêter donc il y a, il y a vraiment euh, difficulté à ces niveaux, Mais c'est de faire en sorte que ce dossier euh, soit traité avec la plus grande diligence et la plus grande équité pour que euh, qu'on euh, qu tente vers euh, une sortie de crise heureuse pour notre confrère, puisque c'est une situation aujourd'hui qui embarrasse euh, toute la profession. Euh, on est de cœur avec notre confrère. Et c'est pour cela nous avons intérêt à faire en sorte que euh, peut-être de ne même pas envenimer, puisque je vois certaines réactions sur les réseaux sociaux qui tendent à, même euh, porter préjudice sur, sur euh, la vie privée du, confrère. Je pense qu'il y a une question qui, est devant les tribunaux. On veille à ce que tout se passe dans la légalité et que à partir de là que ça nous soit une sorte de réflexion de façon générale, puisqu'il faut qu'on s'asseye. Ces questions-là, on, les avait débattues à un certain moment de façon générale. Quand une situation touche un confrère, même si elle relève du pénal, les associations peuvent se retrouver et voir de façon générale comment éviter ce genre de, euh, euh, d'obstacles, euh, il puisqu'il y a beaucoup de débats et que les autorités en place, les pouvoirs publics euh, puissent à chaque fois euh, suivre la légalité. Merci. Sans transition, nous allons aborder le sujet de l'éducation. Euh, alors que l'année scolaire 2016-2017 tire à sa fin, les enseignants, membres de la synergie Cause Niger et SINASEB, ont entamé lundi 8 mai dernier euh, une grève de six jours. Ils avaient déjà entamé une autre grève de six jours la semaine dernière. Selon les enseignants, malgré la signature des protocoles d'accord avec le gouvernement, jusque-là, ce dernier fait la sourde oreille euh, quant à la satisfaction de leurs revendications, notamment le paiement des arriérés du salaire. Selon vous, Garé, qu'attend le gouvernement pour honorer ses engagements vis-à-vis d'eux Vous savez, euh, dans le cas de négociations entre deux blocs, je pense qu'il y a des sacrifices à faire de chaque côté. Et le gouvernement peut-être s'est rendu compte qu'il y a des interlocuteurs qui ne veulent pas que la situation de l'école se règle. Vous savez, euh, moi j'ai une petite connaissance concernant le fonctionnement de certaines associations de contractuels. Vous savez, le domaine de la, le prélèvement des cotisations syndicales est un domaine qui permet à beaucoup de syndicalistes de se sucrer, de mener une vie de pacha. Je vous le dis, ils mènent une vie de pacha. Et les cotisations sont prélevées parfois sans connaissance. Vous pouvez avoir un fonctionnaire, un enseignant qui est prélevé par quatre syndicats. Vous trouvez ça normal Vous trouvez que ce n'est pas normal que le gouvernement dise bon, écoutez, le prélèvement syndical maintenant va se faire avec l'accord de, de, l'enseignant. C'est tout à fait normal, légitime. Eh bien, ça là, ils ne vont pas accepter cela. Ceux qui sont en train de vivre sur ce système-là, ce système de rapace, ce système de, de vautour sur, les, sur les, maigres salaires des enseignants, eh bien, ces gens-là vont s'opposer. Ils vont, tout ce qu'on vous balance là comme argument, n'est-ce pas On vous dit, ouais, le paiement des arrêts. Non, mais la raison, c'est pas ça. Le gouvernement a pris une décision qui a suspendu le prélèvement des cotisations. Ça, là, sans ça, là, il y a des gens qui ne pourront pas vivre. Déjà, c'est des gens qui, ne sont pas en train d'enseigner, qui, sous le sceau du syndicalisme, passent tout leur temps dans les journées en train de panduiter, n'est-ce pas Et quand les salaires arrivent, n'est-ce pas, directement on les vire dans des, dans, des banques. Selon ce que quelqu'un m'a expliqué, c'est-à-dire que euh, euh, c'est avec certaines complicités, on leur établit des, listes fictives. Un syndicat qui n'a même pas 100 militants va se retrouver avec les cotisations de plus de 3000 enseignants. Comme ça, gratuitement. Des millions qui sont dans des banques, les gens se marient, ils font plusieurs femmes, quatre femmes, des villas, des maisons. Non. Ce qu'on nous balance là, le, je vous dis, ce n'est pas vrai. Je vous assure. Moi, je connais ces gens-là. Je connais certains parmi eux. Il y en a qui sont honnêtes. Mais je vous assure, il y en a qui sont extrêmement malhonnêtes. Et je me dis, il y en a qui n'ont aucun souci de la sauvegarde de l'école nigérienne. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que des, semaines qui se suivent, des semaines qui se suivent, cette semaine finie, on programme une autre. Mais vous pensez que c'est des gens responsables qui sont à la tête de ces syndicats-là vous pensez que c'est des pères de famille qui se soucient de l'avenir de leurs enfants Moi, ça me fait de la peine le matin quand je me lève. Je vois les enfants revenir. Heureusement qu'il y a une faille au sein de ces structures syndicales. Il y a une division nette aujourd'hui, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on fait On négocie avec ceux qui veulent vraiment parvenir à quelque chose. Ceux qui veulent remettre en cause la décision du gouvernement de suspendre le prélèvement des cotations syndicales, tant que l'enseignant n'a pas donné une procuration pour qu'on puisse prélever ces cotations syndicales, eh bien ces gens-là vont continuer à vouloir. Ils sont prêts à tout, hein, même à une année blanche. Ce n'est pas leur souci. Et je vous dis, cette semaine qui finit, attendez de voir, la semaine prochaine, ils vont convoquer euh, euh, d'autres une de grève, peut-être 8 jours, peut-être. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur souci. L'essentiel, c'est qu'on a touché là où on ne doit pas toucher. Et j'ai dit, sur ce point-là, je vous assure, je suis à 100% derrière le gouvernement. La question des cotisations syndicales, là, ça ne doit plus être la barbarie comme c'est le cas. Où un, je vous dis, un enseignant va se faire prélever par quatre syndicats. C'est complètement illégal et vous allez voir la vie qu'ils mènent, je vous dis, les leaders syndicaux. Moi, je les connais, la plupart. Ils les connaissent, Ils savent que je les connais. Donc, j'ai dit, euh, euh, euh, si les gens sont soucieux de l'avenir de l'école nigérienne, eh bien qu'ils viennent discuter sincèrement. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, alors qu'ils vocifèrent sur les zones des, radios, n'est-ce pas, pour dire qu'ils convoquent les Je vous assure, c'est des appels chaque nuit. C'est des appels qu'ils font au niveau du ministère de l'Éducation. C'est des, lettres qu'ils envoient, n'est-ce pas, pour supplier. Parce que c'est des supplications pour supplier le gouvernement pour qu'il revienne sur certaines décisions. Je vous assure. Moi, j'ai vu des documents qui sont extrêmement. Euh, c'est affligeant. Parce que quand on les voit sur les zones de télé, tout fier, tout gros dos, n'est-ce pas en train de vociférer. Et quand on voit certaines lettres où il supplie carrément le gouvernement de, je me dis, ça fait pitié. Mais j'ai dit, ce qu'on doit mettre en avant vraiment, c'est l'avenir de nos enfants. Et j'ai dit, il faut que chacun fasse des sacrifices. Le gouvernement, a fait des sacrifices. En tout cas, concernant le. il y avait 3000, je crois, enseignants qui devaient être évoqués parce qu'ils n'ont pas déposé leur dossier pour l'évaluation. Et bien, je pense que le gouvernement est revenu sur cette décision-là pour permettre à ces enseignants-là de déposer finalement. Puisque les syndicats des enseignants sont maintenant d'accord que tout le monde puisse déposer pour l'évaluation. Ça, on ne dit pas ça aux gens. Mais nous, nous voyons des documents qui circulent. <laughs> oui, donc. D'accord, Koubeli. Selon vous, pourquoi Moi, je pense que je ne veux pas faire le procès des syndicats ici. Parce que pour moi, c'est une corporation qui réclame peut-être ses droits, euh, l'école, c'est vrai que l'école a des difficultés en ce moment, et je pense qu'il est de l'intérêt, moi, à mon avis, de l'État, de l'État, du gouvernement, de, de, convoquer, de réunir ces gens pour trouver une solution ça ne sert à rien de trouver des sauts et de faire une fuite en avant de la situation. Elle est là, elle est réelle, elle est concrète. Tout le monde sait que les enfants ne vont pas à l'école. Alors donc, il ne faut pas euh, user d'expédients pour vouloir régler le problème de l'école en divisant. Moi, je pense que si véritablement on est soucié de l'école nigérienne, on doit quand même rassembler tous ces acteurs-là et vraiment tenir un langage de vérité. Il ne faut pas toujours euh, mettre euh, l'huile au feu pour dire on ne fait pas ceci, on ne fait pas. Moi, je pense qu'il il est temps maintenant ce n'est même pas facile de sauver cette année. Mais il est temps que euh, j'ai tout de suite j'ai un peu réfléchi. Je pense que, à mon avis, le comité interministériel doit être carrément mis à la touche et peut-être au président, à charge au président de la République de traiter directement avec ses enseignants, comme il l'a fait avec l'Union des scolaires nigériens. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour de la chose ou faire le procès de X ou Y. Je pense que l'État a une grosse responsabilité. Un pays qui n'a pas d'école, madame, imaginez la suite. Merci, Sekou. En marge euh, du débrayage des enseignants, la section collège et lycée aussi, à son tour, euh, a lancé une suspension de 48 heures euh, des activités le 8 et le 9 mai pour non-paiement des allocations. Nous avons approché le directeur du CG Antala 1, Imalan Mamman. Selon lui, l'exécution du programme scolaire dans son école est bien avancée. Notre inquiétude, c'est au niveau de la grève des élèves, là où nous sommes obligés de fermer les salles de classe. Pour les enseignants, ils ne sont pas nombreux ceux qui partent en grève. Donc, on n'a pratiquement pas de problème avec nos enseignants du secondaire. Nos programmes actuellement sont presque épuisés. Quand je prends l'exemple des mathématiques, ils ont pratiquement fini. Ils sont sur les retouches. Anglais, c'est fini. Bon, français, ça n'est fini pas, c'est une langue. Le seul problème que nous avons, c'est vraiment en histoire jour, où il y a une, heure d'histoire et une heure de géographie par semaine. Là, quand ça tombe sur le jour de grève, c'est vraiment un autre problème. Et même là, les professeurs sont en train de fournir des efforts. Ils font venir les enfants dans les soirées pour rattraper. Inch'Allah, d'ici le 4 juillet, on fera le maximum possible. Nous avons commencé à encadrer nos enfants depuis le 1er décembre 2016. Chaque soir, nous faisons venir nos élèves soit pour des cours de rattrapage, soit pour des séances des cours d'appui et des exercices. C'était le directeur du CG Yantala 1. Jafar, quel impact de nouvelles grèves d'élèves ou d'enseignants pourrait-il y avoir sur l'exécution du programme scolaire euh, je pense que c'est un cas isolé qu'il a, a, a, donné, euh, puisque son école n'est pas représentative des, des, différentes écoles nigériennes, à l'étendue du, du, territoire. Bon, lui, il a fait des efforts, je pense que c'est à s'allier. Il a réussi peut-être à créer une cohésion au sein de, de son administration entre euh, les enseignants et les élèves, c'est bien, c'est un exemple, mais la situation, elle est plus que ça. La situation peut-être est catastrophique pour, l'école aujourd'hui. Euh, mais je vois que euh, il faut se dire un certain nombre de vérités, c'est que le, je pense que le, le, le gouvernement n'a pas été du tout sérieux. Autant on revient sur les enseignants, mais rappelez-vous dans, la, série de négociations que les, syndicats ont eues avec le, gouvernement, la partie gouvernementale, il y a toujours de volte-face. On prend des engagements depuis le début de l'année. Après deux mois, on se retrouve qu'on ne peut pas les appliquer, on fait volte-face. Non, un gouvernement ne doit pas travailler dans cette logique-là. Euh, ce qu'on a dit, moi je préfère un langage de vérité. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Le Niger a tellement de défis, les défis sécuritaires, tant de défis, et on sait que la situation économique n'est pas à la hauteur. Le gouvernement doit tenir un langage de vérité. Voilà ce que je, voilà ce que je gère et ce que vous revendiquez, euh, honnête soit-il, ne peut pas trouver solution dans l'immédiat. Je pense qu'il n'y a pas mille manières de dire la vérité que ça. Mais euh, on a constaté, et les enseignants, ont été entraînés dans ce mouvement-là par le gouvernement. Au lieu de faire un langage de vérité, qu'est-ce qu'on constate Quand ils posent une plateforme revendicative avec un préavis, avoir le préavis que fait le gouvernement, il saute sur un dossier et il fait paniquer les syndicats et il les amène à endurcir le temps. Ce n'était pas une logique euh, euh, véritablement de compromis que le gouvernement a cherché. Depuis le début, les enseignants, les syndicats, ils savent que le gouvernement a des difficultés financières. Et même ils le disent des fois qu'ils savent que le, ce que dit le gouvernement, il ne peut pas. Euh, il ne peut pas répondre euh, du moins à, à ces, à ces engagements-là. Mais quoi Il n'y a pas un langage de vérité. Je sais que les syndicats ont aussi des difficultés puisque et aussi là aussi, Garé, c'est la faute du gouvernement. Si depuis combien de temps on nous parle des élections syndicales S'il y a eu ces élections-là, on saura qui sont les syndicats représentatifs et il appartient aux électeurs, syndiqués comme on les appelle, de, donner un mot d'ordre sur qui doit prélever les cotisations à mon nom et pour quel syndicat. Le gouvernement n'a pas réussi à organiser ces élections. Il doit tirer les conséquences. Maintenant, puisqu'on a pris un temps, moi je pense que c'est de s'asseoir, prendre un compromis, avoir un compromis et maintenant poser les jalons des discussions futures, ne serait-ce que trouver une fenêtre pour sauver l'année. On ne sauve pas l'année pour le, pour le gouvernement, on ne sauve pas l'année pour les enseignants, mais on sauve l'année pour les élèves, pour les élèves et on, fait un bien au peuple nigérien, puisque euh, ça donnera un peu de, de, de réconfort aux parents d'élèves. Mais dans le contexte actuel du tiraillement, je pense qu'on est mal parti. Chacun a sa part de responsabilité. On sait que les syndicats montent les enchères puisqu'ils estiment que le gouvernement n'est pas crédible, mais la, la, la responsabilité devant le peuple sur le gouvernement. Et c'est pour cela que je, je lui porte euh, les griefs du manque d'une communication sérieuse et du manque des engagements clairs. Dire la vérité qu'on ne peut pas, je pense que ce n'est pas mauvais. Garé à vous. Ce que, je, voulais dire, je suis entièrement d'accord avec, avec Zaharou. C'est-à-dire que ce qui serait l'idéal, c'est que toutes les parties s'asseyent autour d'une table. Mais encore faut-il avoir la volonté, effectivement, de s'asseoir sur une table. Il y a des gens qui ont des agendas, des agendas politiques, c'est connu. Il y a des gens qui flirtent avec le diable, on le sait, n'est-ce pas Bon, ça a toujours été le cas, mais ce n'est pas ça le problème. Je me dis, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin et que les gens puissent s'asseoir et faire des sacrifices. Il ne faut pas qu'on qu'on assiste à un syndicalisme radical où on dit que non, notre plateforme revendicative là, c'est-à-dire que sur chaque point, il faut que tous les points soient satisfaits. Et le gouvernement est tellement acculé que souvent, il arrive à faire ce que Jafra a dit, c'est-à-dire qu'il il va, il va honorer, il va satisfaire toutes les revendications, alors qu'il sait très bien qu'il ne le pourra pas. Et les syndicalistes, eux, ils veulent tout. Ils veulent tout le, tout, le bras. Non, dites-leur que vous allez leur donner quelques doigts et puis là, ça va marcher. Mais, mais là, il faut que chacun soit dans une prédisposition de pouvoir accepter de faire des sacrifices. Est-ce que tous les syndicalistes sont prêts à faire des sacrifices Est-ce que le gouvernement est prêt à faire un langage de vérité C'est ça qu'il faut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne va nier que l'école est malade. Mais maintenant, soucions-nous. Moi, j'avais posé une question à un syndicaliste. Une fois, je vous ai dit, j'ai discuté avec lui sur un plateau de télévision. Il me dit non, euh, apparemment, il était fier. Elle hein. me dit, ah, l'année passée, on n'a fait que 80 jours d'école. Mais sur le plateau de télévision, j'étais au Je, je lui ai dit, mais attends, mais tu penses que c'est un motif de fierté de faire 80 jours d'école sur, sur 9, mois J'ai dit, et tu n'as pas honte de dire ça sur un plateau de télévision, toi, un enseignant tu penses que tu es fier de, tu, es fier de ce que tu as, ce que tu as fait Mais moi, j'ai dit, je suis triste pour toi. Il était obligé de, il dit non, c'est, en fait, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, blablabla. il s'était perdu. Donc, j'ai dit, est-ce que la grève limité est le seul moyen de lutte. Aujourd'hui, la situation de laquelle l'école nigérienne est là, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le moyen de lutte Parce que si on continue sur la, lancée de faire des grèves, n'est-ce pas Je pense que l'année blanche sera consommée. Et si l'année blanche est consommée, les textes sont très clairs. Le statut de la fonction publique, c'est ce que les gens ne savent pas. Il faut que les gens lisent. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Et le, le mois de Ramadan est en train d'approcher. Avec les coupures pour faire syndical là, je vous assure qu'il y a des enseignants qui vont se retrouver avec pas grand-chose pour commencer le Ramadan. C'est pas que c'est du chantage, mais j'ai dit, c'est pas que c'est du chantage, mais il faut que les syndicalistes se soucient aussi de leurs militants. Il il faut pas qu'ils se soucient eux-mêmes de leur propre devenir, parce que j'ai comme l'impression que c'est ce qui se passe. Eh, madame, juste, je veux juste euh, dire ceci. Et moi, je pense que euh, la carte, la carte de l'apaisement se trouve avec l'État, le gouvernement. Et je l'ai dit tout de suite. Aujourd'hui, tous ces ministres-là qui sont autour de, de, de, ce comité interministériel ont véritablement échoué. C'est simple comme bonjour. Le président de la République, quand il a voulu régler la crise scolaire avec l'Union des étudiants scolaires nigériens et autres, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris les choses en main. Aujourd'hui, je vous assure qu'il doit faire la même chose si vous voulez que ça marche. Mais je pense qu'il ne faut pas parler d'agenda caché, machin. ça n'amène à nulle part. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, moi, à mon avis, le président de la République, il a la carte à main pour régler ce problème de l'école nigérienne. Non, non, non, il ne faut pas, qu'on assiste parce qu'on veut nous poser dans une posture où on va complètement décrédibiliser le gouvernement. Dès qu'il y a un problème, on dit non, non, le président, pour qu'on dise que les ministres sont nuls, non. Il y a un gouvernement. Ce qui s'est passé avec les étudiants, c'était un cas extrêmement grave. Il y avait eu mort d'étudiants et c'était un cas extrêmement pénible. Parce que les étudiants, effectivement, ils étaient en souffrance parce qu'il y avait plusieurs mois, plus de six mois d'arrêt de bourse. C'était une situation intenable pour les étudiants. C'était un cas extrême. Il ne faut pas qu'on nous plonge dans une posture où chaque fois qu'il y a un problème, on va dire que non, le ministre ne peut pas, le, président de la République. Comme ça, on va ridiculiser complètement l'appareil de l'État. Non. D'accord. Pensez-vous que des coups de rattrapage euh, pourraient sauver l'année Bon, ça, je dis que des coups de rattrapage, mais on est en mai maintenant, madame, le mois de mai, pratiquement la moitié. Euh, et parce que si on doit suivre euh, les, comment on appelle, parce qu'on est lié à lui et moi et autres, donc on doit, il y a des moments où tous les pays doivent faire leurs examens. Je ne sais pas maintenant, nous, comment on va faire. Mais moi, je pense que pour sauver une année, on peut faire tous les sacrifices nécessaires. Il faut aller peut-être jusqu'en juillet, août, pourquoi pas, et faire les examens après. C'est possible, c'est possible, mais pour peu qu'il y ait cette volonté politique. Voilà. Jafar, selon vous, l'année peut-elle être sauvée Elle peut être sauvée, moi je pense que le principe, on a l'habitude d'expérimenter les, les, sessions, c'est-à-dire les décisions. On peut respecter la logique de moi, faire un premier examen et tenter un deuxième. Je pense que c'est déjà une jurisprudence au Niger et ça permet de rattraper. Donc, euh, Les critères de convergence de l'UMOA exigent qu'à la même date, les examens se fassent dans tous les pays. Il faut faire attention. Non, non, non, non, non, non, attention. Non, c'est des critères qui sont obligatoires pour tous les pays. C'est des critères de convergence. non, non, non. Si on ne peut pas. Je vous dis, c'est comme ça. Maintenant, si un État ne peut pas, il crée une année blanche. Point. Voilà. Nous allons marquer une pause euh, pour la suite euh, de ce forum. Je l'annonçais au début de ce forum, les organisations de la société civile nigérienne, initiateurs de la plainte contre X devant le doyen des juges sur l'affaire dite des 200 milliards, le 28 avril dernier ont ouvert un compte bancaire chez Ecobank Niger intitulé Justice pour le Niger. Il s'agissait pour eux de récolter les 20 millions de francs CFA qui leur avaient été demandés pour couvrir les frais de procédure avec la participation des citoyens. Une semaine après l'ouverture euh, du compte, euh, la banque, à travers une lettre, leur a notifié la fermeture du compte euh, évoquant une loi d'octobre sur l'enrichissement illicite et le financement du terrorisme. La lettre portait évidemment la signature du directeur des normes et conformités de la banque. Suite à cela, je vous propose de suivre la réaction d'Ali Idrissa, membre du collectif de la société civile. La banque, dans son courrier, a évoqué la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. S'il vous plaît, dans ce pays, on va dire que les organisations de la société civile peuvent être coupables de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sachant où sont les terroristes, sachant où sont les blanchisseurs d'argent. La banque nous répond sur notre demande d'ouverture du compte auquel Allah a déjà accédé en ouvrant le compte. Nous savions que ça, ce n'est pas sans pression. Et la pression, tout le monde sait d'où ça peut venir. Et il faut seulement que les Nigériens se disent une chose. Nous allions nous constituer encore pour que cela ne se répète plus au Niger en poursuivant cette banque pour nous avoir liés à ce que nous ne sommes pas. C'était là la réponse de la société civile euh, quant à la fermeture du compte EcoBank. Alors Gary, euh, à votre entendement, pourquoi la banque a clôturé le compte justice pour le Niger après coup, alors qu'elle aurait refusé sa création avant euh, les motifs euh, donnés Non, une banque ne, refuse pas la création d'un compte. Ce qu'une banque fait, elle vérifie si les comptes qui lui parviennent sont des comptes, c'est de l'argent et, c'est de l'argent licite. C'est tout ce qu'une banque fait. Du reste, je crois que EcoBank n'est pas une banque nigérienne, parce que s'il voulait, il allait déposer à la Sony Bank, ils n'ont pas déposé à la Sony Bank. EcoBank n'est pas une banque nigérienne, c'est une banque qui est partout en Afrique. Et une banque, c'est un conseil d'administration. Une banque ne prend pas une décision comme ça. Maintenant, je suis heureux qu'ils aient dit qu'ils vont porter plainte. Maintenant, j'attends de voir ce que la justice va donner. Mais il y a un détail quand même qui, m'a tiqué et les gens n'ont pas prêté attention à cela. Mais dans le compte, après une semaine, il y avait combien 100 et quelques mille. Vous trouvez ça normal les leaders, les leaders, de la société civile, là, ils ont mis combien, combien 1000 francs, 1000 francs C'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans le compte, là, 140 000, une semaine. Mais ils ont mis combien les leaders de la société civile là 1000 francs, 1000 francs, c'est ça, non Et les autres euh, fonctionnaires, ils ont mis 1000 francs. Parce que pour que en une semaine, ça atteigne 5, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Et c'est ça que j'ai dit, mais écoutez, à ce rythme-là, c'est dans 10 ans qu'on va regrouper 20 millions. Dans 10 ans Une semaine, 140 000, ça veut dire qu'ils ont mis combien Alors que, de mon avis, à mon avis, ces leaders de la société civile-là devaient donner l'exemple. C'est-à-dire que au moins qu'on puisse dire que bon, euh, euh, une semaine après, il y a quand même un engouement pour ce compte-là, n'est-ce pas Pour sauver l'apparence, ils vont, ben, mettre 1 million, 2 millions, 3 millions, non, non. Mais 140 000 après une semaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis plus de 5 000, même les leaders syndicaux là, ceux qui veulent la manifestation de la vérité. Et c'est tout dommage. Et je vous dis, ça, ça a passé inaperçu. Les gens n'ont pas prêté attention à ce détail-là. Mais c'est un détail assez illustratif. D'accord, mais pourquoi la banque a clôturé Ah non, ça je ne sais pas. Ils vont porter plainte. Ils vont porter. La banque, la banque est libre. Je vous dis, c'est pas une banque nigérienne. Il y a un conseil d'administration. Elle est libre. C'est dans ces textes. Elle a le droit, suivant les certains textes, de clôture des comptes. Maintenant, est-ce que les arguments sont valables ou pas On va voir ce que la justice va dire. c'est pas à moi, qui est un néophyte en matière d'institution bancaire, de venir sur un plateau pour dire que non, non, la banque n'a pas raison. Sur, base de, la base de quoi Est-ce que je connais le fonctionnement de leco l'EcoBank Je n'en sais rien du tout. Donc que les gens arrêtent. À vous, Sekou, quel est votre avis par rapport à la question Je pense que ça n'a pas été sérieux. C'est une société civile qui est connue, qui, qui, mène ses activités et qui a en tout cas voulu quand même euh, faire euh, euh, un mouvement bancaire, demander en tout cas aux citoyens par rapport à ces 200 milliards de, de, de, trouver 20 millions pour donner aux doyens des juges et pour justement faire la lumière sur ces 200 milliards. Bon, Maintenant, euh, euh, la banque qui dit que non, non, non, revenez, on a fermé votre compte. Mais ça veut, dire que, bon, Garé lui insiste sur le montant, mais moi je pense que ce n'est pas ça le plus important. Hein? Moi, pour moi, le plus important est que ça commence, qu'on permette justement aux Nigériens, là on verra l'engagement des Nigériens, si réellement les gens veulent faire la lumière sur ce dossier ou pas. Mais on n'a même pas donné ce temps, on a rapidement fermé. Moi, je pense qu'en ces temps qui courent, si en une semaine on arrive à mobiliser 140 000, c'est beaucoup, j'espère, j'estime. Ok, les organisations de la société civile ont aussi prévu d'organiser le mercredi dernier une marche citoyenne dans le même cadre pour dénoncer la malgouvernance, les coupures d'électricité et d'eau ainsi que la panne du dialogue sur la question de l'école. Tôt le matin même de la marche, la police a assiégé le lieu du rassemblement, à savoir la place Toumont. On leur a brandi une décision interdisant la manifestation pour trouble à l'ordre public. Les organisations affirment n'avoir pas été prévenues à temps. Jafar, Comment expliquerez-vous cette interdiction puisqu'habituellement les concernés sont informés à temps je pense qu'il y a, peut-être euh, euh, quelque chose qu'il faut dire à ce, niveau. Vous savez que là, c'est une semaine où euh, le Niger abrite l'assemblée ou la 60e assemblée de la Commission de l'Union africaine sur les questions des droits de l'homme. Euh, et certainement la, société civile a voulu marquer euh, sa présence, de sa présence, en organisant cette manifestation. C'est vrai, ils ont, l'habitude de le faire. Mais moi, je dirais que euh, il est souhaitable, vu l'engagement du président de la République, qu'il a d'abord réitéré à, l'ouverture de cette de cette rencontre, J'aurais voulu qu'on laisse la société civile euh, s'exprimer et dire ce qu'elle pense. Euh, ça ne change à rien. Je pense que dire ce qu'on pense euh, dans un pays démocratique, dans, une gouvernance démocratique, vaut plus que la répression, l'interdiction. Et aujourd'hui, devant tous ces, participants de l'ensemble des pays de l'Union africaine, on, a empêché une manifestation en présence des associations des droits de l'homme des différents pays, que ce soit gouvernemental ou de la société civile. Je pense que ça porte un préjudice dans, la liberté d'expression et la liberté de la manifestation. Je pense que l'option de l'État, le, le, ministère euh, de l'Intérieur peut avoir sa raison d'empêcher, mais moi j'ai dit, euh, dans le contexte que nous étions, il était préférable de laisser les organisations faire leur, manifestation. Peut-être si je peux revenir un peu rapidement sur la question de, de compte. Moi, ce que n'ai pas compris, c'est comment on accepte. On a tous l'habitude d'aller ouvrir un compte d'EcoBank. Et c'est même la préférence de beaucoup de Nigériens. Je ne leur fais pas euh, la, publicité. Mais comment euh, ils, sont tellement exigeants dans la procédure. Comment vous acceptez qu'on ouvre un compte et après, vous dites que non, pour des raisons de blanchiment. le, blanchiment des capitaux, ils savent très bien comment ça, s'organise. On attend de, voir que ça, inquiète pour qu'on. Si on a déjà laissé la structure là ouvrir un compte, c'est qu'elle a, euh, respecté les, euh, la procédure. Et comment on revient une semaine Je ne peux pas comprendre s'il faut créer un compte attendre un conseil d'administration et dire non, fermer ce compte-là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La procédure de, justement, la procédure de la banque n'est pas claire et ce n'est pas profitable pour eux en tant que sucre commercial. Et donc, euh, moi, je dis, bon, attendons de voir si la banque avait raison ou pas. La justice va trancher. Je pense que c'est la meilleure des, postures quand même. Concernant la marche de la société civile, je suis d'accord avec Jaharou. C'est-à-dire que dans le contexte où la session de l'Africaine de, de, de l'homme se tenait, c'était du pain béni pour la société civile que cette marche-là s'est interdite. Si, elle était, si on devait l'interdire, je suis d'accord avec les acteurs de la société civile, on devait les avertir la veille au moins. Vous comprenez Mais moi, j'aurais voulu qu'on les laisse et manifester parce que ce serait l'expression quand même de la, la liberté. Et parce que cette marche-là intervient euh, presque le lendemain du discours du président de la République où il a vanté les mérites de l'eau. Donc c'était extrêmement maladroit, je le dis, d'avoir interdit cette manifestation Il fallait laisser les gens pour que ceux qui sont venus, là, nos autres qui sont venus, puissent comprendre que le Niger est un pays démocratique. D'ailleurs, pendant qu'on tient cette session, il y a des gens qui sont en train de bandir des pancartes pour exprimer leur. Parce que les gens ont le droit, je l'ai toujours dit, mais les gens ont le droit d'exprimer leur colère. La société civile, l'opposition politique, c'est très important dans un pays. Parce que dans un pays où les gens ne peuvent pas exprimer leur mécontentement, eh bien, on va on va à la catastrophe. Il faut qu'on puisse accepter que les gens puissent manifester. C'est vrai, que euh, les, forces de police ont brandi une note. Mais la note, je suis d'accord avec les acteurs de la société civile, elle devait leur être euh, montrée la, veille. Ok, d'accord. Selon vous, comment est-ce que nos hôtes euh, auraient vu l'image du pays Non, je suis sûr que quand, cette marche-là avait été interdite, n'est-ce pas Ça a quand même mis un peu. ils ont quand même été un peu dessus, c'est sûr. N'est-ce pas Ils ne vont pas l'exprimer mais quand même, euh, ils ont vu, euh, euh, ils, vont se dire que bon, peut-être qu'il y, a des problèmes. Alors qu'on sait que le Niger, pratiquement sur le plan des libertés, c'est vraiment un, un, des meilleurs pays de la sous-région. C'est un des meilleurs pays en Afrique sur le plan des libertés. Vous voyez ce que nous disons sur les plateaux de télévision vous voyez les attaques qu'on fait contre le président de la République lui-même. Dans certains pays, c'est impensable. Contre certaines personnalités, les, insultes que nous faisons sur les plateaux de télévision, qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout, en tout cas, on n'est pas du tout inquiété. Et des manifestations, il y en a eu par le passé. Vous savez, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris pourquoi celle-là a été. J'ai dit, je suis d'accord avec Jab, c'était très maladroit, franchement. Et vous, Sekou Oui, tout à fait. Je suis forcément, en tant que euh, véritablement euh, démocrate. Euh, jusqu'à l'âme. Je pense qu'on ne devait pas empêcher. Moi, au départ, je pensais que c'était lié au déplacement du président de la République, puisque ça coïncidait. Je pensais que c'était lié à ça. C'est pourquoi ça a été empêché. Mais quand après, j'ai eu vent de ce qui a empêché cette marche de se tenir, je me dis qu'on euh, est en danger la démocratie est en danger, on empêche aux gens de s'exprimer justement, d'exprimer leur frustration, d'exprimer leur mécontentement par rapport à cette électricité qui n'est pas là, d'exprimer leur mécontentement par rapport à la bonne gouvernance. Je pense qu'on doit laisser les gens parler. Ça ne sert à rien de vouloir, euh, en tout cas, frustrer les gens, de les euh, cantonner dans un euh, mutisme béat pour je ne sais pour quel résultat à la fin je pense qu'on aurait dû euh, permettre à ces gens-là de quand même d'exprimer leur mécontentement et que bon, c'est ça la démocratie. Mais je pense qu'à l'avenir, peut-être que euh, les gens vont nous entendre, ils vont penser qu'on euh, est en train de les critiquer, mais ce n'est pas ça. On veut une démocratie. Et quand on parle de démocratie, il faut laisser les gens marcher, il faut laisser les gens crier jusqu'au bout. De toute façon, ça ne change rien. D'accord. En une minute, Sekou, qu'espériez-vous euh, du nouveau président français qui vient d'être élu. Vraiment, ce n'est pas une préoccupation. Vraiment, ça ne me dit rien. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut s'y mixer dans des élections. Euh, la France, c'est la France, le Niger. Nous, tout ce qu'on demande, peut-être, c'est notre indépendance. Vraiment que ces gens-là quittent le, Niger, qu'ils nous laissent notre iranien, Qu'ils nous laissent vraiment, on en a marre et qu'ils s'en aillent, c'est tout. Jafar Moi, je pense que <coughs> c'est comme ce que nous avons l'habitude de revendiquer depuis tous ces temps c'est euh, un partenariat responsable, un partenariat d'égal à égal. Je sais que c'est difficile, mais il le fallait. Et ça, n'est pas seulement ça qu'on attend du président, de, du président élu français. On attend aussi de nos dirigeants. Parce que euh, le rapport responsable d'égal à égal, ce n'est pas aux autres de nous, l'offrir. C'est à nous de le réclamer, c'est à nos dirigeants qu'on doit le revendiquer. Garey, une minute. Moi, ce que j'ai dit, c'est que bon, les présidents français, ils changent, mais la France, c'est la France. Hein. Euh, il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Emmanuel Macron ne va pas retirer les troupes françaises à l'étranger. Donc les troupes françaises au Niger, il ne va pas les retirer. Je l'ai entendu dire pendant la campagne, ah oui, oui, euh, la France-Afrique, le système... Non, ça là, c'est des choses, mais dans la pratique, la France, elle préserve toujours ses intérêts. Non, c'est clair les relations euh, entre la, France et, les, et son précaré africain va continuer. Euh, moi, je ne me fais pas d'illusions parce que la France reste la France. Maintenant, c'est au président africain peut-être de faire des offensives pour que les choses puissent changer. Pour que, par exemple, cette question du franc CFA, que les, Africains n'en veulent plus, n'est-ce pas les Africains n'en veulent plus que ces devises-là qui sont stockées en France. Les Africains n'en veulent plus. Est-ce que Macron pourra régler ce problème une fois pour toutes L'avenir nous le dira. Merci à vous, chers euh, invités. Sur ce, se referme euh, le forum de ce vendredi 12 mai 2017. Euh, nous étions avec nos confrères Gary Amadou du bi-hebdomadaire L'événement, Sekouberi Ibrahim, journaliste à la Voix du Sahel, Jafar Maman, directeur de la publication, de la publication du journal L'Indépendant, Merci à vous tous euh, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous lundi à partir de 18h15 avec euh, Diallo Maria Makenda qui parlera de la vie en milieu carcéral. Excellent week-end. Au revoir.